numéro mais avant tout je et vous embrasse très très fort alors si vous avez un xel vous pouvez ci jigéen un mais bu ñu fàtte ñi ni góor ci la ñuy bokk te dañ un am Owens sénégalais qui a fait des études en télémarketing et en droit et passionné de mode moo tax mu tàmbali créer propre maison de couture en tout ko artisan designer avec la marque bien sûr de Owens balaa ñuy yegg ci biir défilé bi tàmbali na damay remercier madame Diallo Gamo Diakhaté mi nga xam ne moo génn fii ci bopp bi nekk ca jàmmalaay mais kenn du maam bébé Ndiaye mi nga xam ne moo génn ci tunique bu yànje gi ah nekk zone A numéro 9A c'est l'été dama leen seeti ko mu génne leen ci yu oyof yi da ciy baax lool ñu yegg ci défilé bi. alors yegg si nañu gis ngeen défilé bi tàmbali na xale yaa ngi dox def ni ñu mënee li mooy awoon showroom Awards showroom gis ngeen ni mu defaree ah style yaa ngi nii ci la ñu seetaan Owens gis ngeen ni mu yànjee défilé bi tàmbali na comme nous ma leen ko tout à l'heure on va rencontrer Owens bonjour Owens comment vas-tu bien, bien ça va très bien merci ça va ça va très bien, merci ça va bien merci beaucoup félicitations pour ton showroom c'est magnifique Owens merci beaucoup Comment ça se passe le travail Ça va très bien, merci. Alhamdulillah. En fait, j'ai vu euh, cette collection-là en arrivant à Moignorec, pour un petit défilé Exactement. Mais j'ai vu que vous avez fait euh, façon style. Euh, est-ce qu'on peut parler de ça D'accord. Alors, mhm. euh, déjà, je vais commencer par le nom de, la collection. Ça, s'appelle mhm. euh, Afrochic. parce que c'est des tenues africaines à la base. Donc, euh, c'est des bijoux africains qu'on a pris, mhm. qu'on a retravaillé, qu'on a mobilité, qu'on a modernisé de par la matière première et de par les coupes. Donc, parce que vous voyez, avant, c'était grand, c'était encombrant et puis c'était du bazin. tout. à fait. Maintenant, on prend n'importe quel type de tissu. Euh, du super sang, du lin, euh, du coton, et on en fait une tenue traditionnelle. Et euh, voilà, comme vous voyez, on est Et puis on euh, pratique passe-partout. Voilà. Comme vous voyez, c'est des pantalons normaux. vous pouvez même mettre avec une chemise, avec une veste. voilà, le haut également, vous pouvez en déparé avec un jean. Voilà, passe-partout. Euh, pourquoi vous avez euh, choisi euh, Artisan Designer comme nom de votre maison de couture D'accord, alors je vais commencer par la définition déjà du mot artisan, qui veut dire quelqu'un qui travaille de façon manuelle et qui utilise des techniques traditionnelles de l'art. Et puis designer parce que je fais du design. Donc voilà, d'où le mot artisan designer. Vous avez fait du télémarketing, du droit, et puis pourquoi la mode Par passion. Ah, parce juste après le bac, j'ai commencé, parce que je ne savais pas quoi faire exactement, donc j'ai tout de suite commencé à travailler mhm. dans le télémarketing, donc j'ai fait presque tous les centres d'appel de Dakar. Mhm. Après ça, bah, euh, mes parents m'ont dit, surtout ma mère, qu'il fallait faire des études. Donc voilà, j'ai commencé des études de droit. Mhm. Et puis après, il fallait choisir euh, entre ça et ma passion, je suis ma passion, parce que je faisais ça à mes heures perdues. Alors, euh, j'ai vu aussi que da ngay des accessoires ses propres accessoires donc est-ce que vous dire le temps vu que vous ngay créé ay tenues de faire des accessoires le temps vous ça prend du temps mais euh, c'est c'est un impératif c'est-à-dire euh, tu sais moi je trouve hein, de mhm. mon point de vue personnel 5 mhm. accessoires de mon ça vaut mettre la plus belle robe au monde si tu l'accessorises pas avec euh, les bijoux qu'il faut, les chaussures qu'il faut, la coiffure qu'il faut, le sac qu'il faut, ça n'a pas de sens. donc si je comprends il y a des da ngay defar dàll da ngay defar chapeau da ngay exactement Comme vous boo solo yëre foog nga sol <laughs> euh, chapeau ce n'est pas obligatoire mais dans la ci. Euh, les les les les poignets boutons amee bouton manchette. Mhm. moo gën. là s'il y a une par exemple là vous voyez j'ai mis la pince j'ai mis une broche ça accessorise ça atténue en fait la simplicité de la vie. Moi, j'aime beaucoup quand c'est simple. J'aime beaucoup quand c'est simple. D'accord. a aussi de la couleur noire. Ah, j'adore le noir, c'est chic, parce que c'est chic. J'adore le noir, j'adore le bleu marine, le rouge bordeaux, c'est des couleurs nobles, nobles. Je les adore. Est-ce que je peux, je je savoir quelles sont tes matières de prédilection Bon, ma, ma matière de base, c'est le super simple d'attendre que quelqu'un fasse quelque chose et puis euh, faire la même chose, ça n'a pas de sens tout complètement. Donc, euh, alors moi, je prends, c'est là que je prends la soie, mhm, justement. Mhm. Voilà. Donc, je, la découpe mhm. je, je, et, je, garnis la vie. Comme celui-là, le blanc Exactement. Ouais. Alors, la base de cette tenue-là, par exemple, c'est du blanc, vous voyez Oui. Après, euh, alors, vous voyez cette bande jaune-là Oui, oui. on aurait j'aurais pu mettre une garniture. Mais c'est un petit tissu carrément que j'ai découpé, que j'ai collé, que j'ai Ça fait office de garniture, mais ce pas ce qu'on voit euh, tout le temps. Ah, d'accord. Très souvent, on m'a remarqué aussi, je remarque aussi juste euh, tenue, c'est comme si tu n'utilises pas de garniture. Alors, au Sénégal, de nos jours, n'y a pas sans garniture. Euh, juste, justement, c'est pour, pour avoir ces touches rares là. C'est pour parce que moi, quand je, suis arrivé, en tout cas dans ce milieu-là, euh, j'ai beaucoup observé avant de démarrer. Mhm. Euh, j'ai fait des études de marché par-ci par-là, je regardais, j'observais. Mais comme, moi, j'ai bien me démarquer, euh, je me suis dit, bon, écoutez, je ne vais, pas faire ce que tout le monde fait parce que sinon, ça n'a pas de sens. En fait, aussi, j'ai remarqué aussi que très souvent, euh, ce style, y a un chapeau, mais pas n'importe quel chapeau donc euh, j'aimerais bien qu'on parle de ça je ne chapeau ne sais pas à mon style là non vous savez. Mhm. Euh, il ne s'agit pas de mettre un chapeau pour mettre un chapeau. ça ne va pas à tout le monde hein, ça. il faut avoir déjà une tête à chapeau. c'est comme les lunettes il faut avoir une tête à lunettes. Il y a des gens qui n'ont pas, pas une tête à lunettes qui ne mettent pas de lunettes il y a des gens qui mettent toutes sortes de lunettes c'est-à-dire peu importe la forme peu importe le cadre ça leur va parce que mhm. c'est des gens ñoo ñu une tête wax des matière On parlons un peu des matières parce que tout à l'heure wax nañ ci mais dama ciy de si donc fan nous jëlee les matière où est-ce que tu trouves tes matières au Sénégal ou bien au Sénégal à Dubaï euh, en Turquie au Maroc euh, même en Afrique hein, euh, Bamako Mali mm Bamako Mali mm -hmm. il y a partout, partout. parlons un peu de cette tenue alors ça, c'est une pièce toujours de la dernière collection de la Dakar Fashionist, mhm. la collection euh, accrochée. Mhm. Alors, c'est une chemise noire col maro, une oui. chemise Moi, je les appelle tunique chemise parce c'est les mi-tuniques, mi-chemise. D'accord. Donc, euh, c'est une tunique à l'intérieur, plus un pantalon. Oui. Et euh, la, en dessous, c'est un pancho. C'est quoi un pancho C'est un, un, pancho. Oui. Vous voyez les, les types de couvertures que que les mamans avaient pu avant. Mm. Euh, même maintenant, c'est revenu. Oui, c'est revenu, c'est revenu. Ah, ça revient, mm-hmm. ça, tourne. Mais je vous ai demandé parce que nous avons un tour Exactement. Ouais, moi, je le lu. Les gens pensent que c'est un bon mais non, c'est un pancho. Donc, c'est fermé, vous voyez, c'est coupé comme, euh, comme à l'entrée. D'accord. Mais ça, c'est juste quelque chose que vous mettez sur vous et que vous laissez pendre. Il y a des gens qui disent que, comme genre kimono, et c'est toujours différent. D'accord, ok. amis chose promise chose due qui ngeen tey góor ñi la ñu collection bu tip top avec Owen euh, ça a été un grand plaisir pour moi de découvrir le showroom Owens fii VDN et puis euh, dama len di avec ak Owens ma jox l'adresse et le numéro téléphone comme ça vous pouvez passer quand vous voulez voilà donc euh, l'adresse de la boutique c'est à la cité CPI mhm. sur la VDN donc juste en face de la dernière passerelle avant le supermarché exclusif en venant de Etika donc juste au niveau de la passerelle on est en face sur la secondaire goudronnée donc euh, c'est ouvert à tout le monde. Vous vais passer, au ouvert du lundi au euh, samedi, de 10h à 20h30, de pas au-delà. Donc euh, vous êtes tous nombreux. On peut avoir le numéro de téléphone et l'email pour les gens qui sont à l'étranger. Facebook, les réseaux sociaux. D'accord. Alors je suis joignable au 77 650 91 81. 77 650 91 81 et 77 616 26 26 77 616 26 pour les réseaux sociaux. Alors, euh, mon Instagram, c'est l'artisan designer, pour vous l'entendre. l'artisan, espace designer. Euh, Facebook, OLS, tout simplement, vous notez O-W-E-N-S, Owens, sur, euh, sur Facebook. Voilà, merci alors. Je t'en prie. C'est moi. Un plaisir. partagez. Très bien, au revoir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.